C'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition atmosphère triste au domicile familial de Morseille, à Touba, les parents de ces Sénégalais puis en Italie sans remettre à Dieu. Début de solution pour les pèlerins sénégalais bloqués au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. La plupart ont déjà obtenu leur visa pour l'Arabie saoudite. Et dans ce midi, le commissaire général adjoint au pèlerinage précise que le Sénégal n'est pas le seul pays qui a connu un dépassement dans le quota pour la Mecque. Procès Sénat, après, c'est toujours l'audition des témoins. Et puis, la pluie et la crue du fleuve Sénégal créent le désastre dans bon nombre de localités de Matam. Plusieurs familles sont sinistrées. L'actualité internationale dans ce midi, présentée par Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour Antoine. Les titres. La présidentielle en Guinée, l'opposition menace de se retirer du processus électoral. Un dialogue politique en Mauritanie, les États-Unis ont fait cet appel aujourd'hui. La sécurité au menu des discussions entre le président Hollande et Bukhari. Le chef de l'État nigérian est en France pour plusieurs jours. Tout sur l'espoir avec Chef Diagne. Bonjour, chef. Bonjour, Antoine Diouf. Sénégal, Afrique du Sud en match d'ouverture de la Cannes U23 de football. Les autres adversaires de poule des Lyonceaux sont la Tunisie et la Zambie. Le tirage au sort a été effectué ce matin au Caire en Égypte. Jeux africains de Brazzaville, le Sénégal dans la course alors. Plusieurs disciplines sont dans le starting block. Et puis Mawadouad, en trace de sa disparition, le peuple reconnaissant apporte son témoignage. Vous entendrez le doyen Abdoulaye chroniqueur à la radio Futur Media des problèmes dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, quelle solution préconisez-vous Le débat du jour, c'est aux alentours de 12h à 30 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. RFM s'est rendu au domicile familial de Morseille. Les proches parents de notre compatriote tué en Italie disent s'en remettre à Dieu mais ils n'ont aucune information venant des autorités et relative à l'arrivée de la dépouille mortelle de leur fils. Papa Balagay était au domicile de Morphée à Touba. Ce balai incessant des proches et amis au domicile de Morseille pour présenter leur condoléance à la famille éplorée. Une famille habitée par la douleur depuis l'annonce de la tragédie ce week-end. Mors Kébé, oncle du défunt. kenn xamul ko benn histoire mooy musuma dégg moor xuloo nag nit fii ak foofu ndax maa ngi moom mu ñu nekkoon foofu ñaar fukk ak juróom benn les témoignages sont unanimes sur la personne de Morseille, une personne qui était de commerce facile et très pieux. ah sa seconde épouse malgré la douleur a tenu à partager ses dernières volontés. moom yëpp kàddu ba bërki démb di àjjuma àjjuma àjjuma waaw àjjuma àjjuma ci boppam dugal na xaalis bi nga xam ne fii ne moom la dese woon ci tabaski li waroon a joxe ci tabaski bi yëpp joxe na ko àjjuma la ko dul ba bët set di samedi onze heures man woo na ma bu ngoonee na nga teel a taal bi ma wax ak yow tàmm nga nag saa yu 19 heures jotee may woote ba sonn nga bàyyi ba reer ba pare Sans aucune information depuis le décès de leur fils, la famille Sey invite les autorités à réagir et prendre le dossier en main pour un rapatriement du corps de Morseille. Papa Balagay, Touba, Radio Futur Média. RFM, fréquence modulation, 94.0, la radio en puissance, Antoine début de solution pour les pèlerins sénégalais au lieu saint de l'islam bloqués à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Sur les 163, les 92 ont obtenu leur visa. Les autres cas seront réglés dans le courant de la journée. Mais en attendant, la galère se poursuit pour ces dizaines de pèlerins. Reportage au hangar de l'aéroport Ismaël Camara. Anxieux, déboussolés, les pèlerins laissés en rate ne savent plus où donner de la tête. Au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, c'est le calvaire. Abid Ndiaye porte leur parole. Nous n'avons plus de quoi manger, de d'argent, c'est dur, on dort sur les cheveux. Vous voyez, c'est dur pour ces femmes qui dorment à même le sol pendant six jours. N'empêche, ils gardent espoir. Abid Ndiaye. Les choses vont aller mieux, mais les problèmes sont toujours là. Sur les 130 personnes qui étaient visées hier vers 21h, yóbbu lu toll ci téeméeri passeport ak juróom-benn

espère quitter ce soir le Sénégal pour l'Arabie Saoudite. Reste maintenant le cas des 37 pèlerins qui n'ont pas encore de vol pour effectuer le pèlerinage au lieu fin de l'islam. Nous allons écouter à présent le commissaire général adjoint au pèlerinage, Saliou Bamar Diagne, rassure et déclare que le problème est en train d'être réglé. Et puis il fait savoir que le Sénégal n'est pas le seul pays qui est dans une situation de dépassement de quotas. Bamar Diagne par El Hier, euh, on nous a convoqué au niveau du consulat de l'Arabie Saoudite où euh, nous étions en train donc de euh, d'exécuter les visas pour les pèlerins qui sont laissés en rade ici à Dakar. Je pense qu'on a presque terminé deux tiers donc des, des On devrait normalement terminer le reste aujourd'hui. Donc on attend que l'ambassade de l'Arabie Saoudite nous, nous invite pour cela. Ce que je dois ajouter, c'est que les autorités, notamment le ministre des Affaires étrangères, travaillent depuis presque une semaine pour cela, pour que on arrive à résoudre ce problème-là, le visa, et je pense qu'Inch'Allah, on arrivera à une solution définitive euh, pour euh, les visas. Comment se fait-il euh, que le Sénégal soit confronté et expirer euh, son quota de visa alors qu'il y a des pèlerins qui se sont déjà inscrits C'est des choses qui arrivent quelquefois. Une fois, je pense que c'était en 2013, on nous avait diminué le quota. Donc, finalement, on se retrouvait par exemple dans une situation où on avait besoin d'un surplus de visa. Et c'est des choses qui quelquefois qui sont difficiles donc à cerner. Je dois signaler, le Sénégal n'est pas seul dans ce cas-là. C'est vrai que ce n'est pas une excuse, mais il y a d'autres pays par exemple qui quelquefois tombent dans ces mêmes situations-là et ils réagissent de, la, de, la même manière. RFM, la radio de toute l'actualité. Un journaliste sénégalais basé à Bruxelles, Jamil Khan, a été interpellé à Banjul ce matin. C'est pour avoir pris des photos dans les rues de la capitale gambienne où il est en vacances. L'ancien directeur de publication du journal Révélation et ancien reporter du Populaire ici à Dakar. Donc se trouve un interrogatoire en ce moment au commissariat de Yundoum, quartier de Banjoul. Palais de justice de Dakar, les chambres africaines extraordinaires poursuivent l'audition des témoins. Aujourd'hui, Mantouré, un témoin, un membre d'Amnesty International, est à la barre. Le prochain dix après que vous suivez. Oui, il s'appelle Mike Tostich, Il est d'Amnesty International, ou du moins, il était entre 1977 et 1993. Il, il était le responsable chercheur d'Amnesty dans les pays d'Afrique centrale. Alors, il a noté qu'il y a des traitements exceptionnels subis par les prisonniers, des traitements hors la loi. Euh, des traitements hors la loi, c'est par l'administration euh, faite par l'administration plutôt euh, de Hissène Abré. Seulement, il n'arrive pas à trouver la jonction entre cette administration-là et Hissène Abré. Euh, ici aussi, à la Cour, il y a eu une diffusion d'éléments sonores de trois minutes, une information demandée par le parquet disait qu'il voulait entendre la conférence de presse d'Hissène C'était en novembre 1984. Et là, Hissène répondait à Amnesty International en disant qu'il n'y a jamais eu une guerre propre. Cette guerre nous a été imposée par la Libye et l'avocat de M. Hissène s'en François de dire pourquoi Amnesty International s'acharne-t-il contre euh, Il y avait la Libye, il y avait Kadhafi qui a fait des tortures et pourtant on n'en a pas parlé pour le moment. Monsieur, merci. L'eau de malheur à Matam, des familles sont victimes des pluies et de la crue du fleuve Sénégal. C'est le cas à Lambangou et Medina Sandé où des bâtiments en construction se sont effondrés la situation est en train d'être suivie par les autorités administratives. Matam Ali Des familles entières chassées de leur lieu d'habitation à Lambangou et à Medina Sandé, des bâtiments en construction sommaire effondrés, la crue exceptionnelle aux portes de la ville de Matam. C'est le bilan à mi-parcours de l'hivernage dans le département de Matam. Des populations sinistrées qui attendent toujours le soutien de l'État. Au niveau local, Dja, Dja, Dja le préfet de Matam nous fait le point. Tout cela donc a entraîné des situations d'inondations dans quelques localités du département. Pour ce qui concerne euh, la commune de Matam, nous suivons la situation au niveau de la digue de protection. Il faut signaler que c'est une digue euh, de fortune qui n'est pas très bien aménagée. Au niveau du quartier de Jamel, les eaux de cuir menacent le poste de santé. À ce niveau, les jeunes du quartier de Jamel sont mobilisés. C'est à cet effet que un jeu de sac à terre a été distribué. Également, nous avons noté quand même une situation un peu difficile au niveau du de Tchaïde, où les travaux de réalisation d'une canalisation ont entraîné des inondations au niveau. Là-bas, nous avons dénombré 9 familles qui étaient touchées, que les dispositions ont été prises en rapport avec l'entreprise concernée. Et l'entreprise a été vraiment sommée de prendre toutes les dispositions pour achever ces travaux les des délais vraiment raisonnables. Ce qu'il faut déplorer, c'est qu'on attend toujours souvent l'hivernage pour réaliser les travaux, alors c'est des travaux qui posent beaucoup de préjudice au niveau donc des populations. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, dit-on. La bonne pluviométrie répartie dans le temps et dans l'espace laisse envisager une bonne campagne agricole des cultures pluviales. Matam, Ali Bandelian, RFM. Santé maintenant des cas d'arrêt enregistrés dans la zone de Niasanté. Les principales victimes dans cette localité de Dagana ce sont les enfants. À l'origine du mal, la mauvaise qualité de l'eau consommée par les populations. Correspondance à l'Océan Gagne. Depuis le début de l'hivernage, des cas de diarrhée sévissent à Santé, l'un des villages centres de l'arrondissement d'Amban, situé dans la zone d'élevage. Des cas de diarrhée particulièrement chez les enfants. Pour l'influer chef de poste Cherbaï, c'est la qualité de l'eau qui a est le principal responsable. Il faut les enfants, 0 à 7 ans. Euh, le forage qui se trouve dans le village, c'est un forage qui est avec de l'eau saumâtre. Maintenant, ils sont obligés d'aller boire dans les marigots. Et des fois, il y en a qui, traitent l'eau, mais il y en a qui ne traitent pas, qui boivent ça directement. C'est ce qui nous amène quand même à avoir quelques affections diarrhéiques. La santé qui abrite l'un des plus grands marchés hebdomadaires de la zone polarise également plusieurs villages de la zone sulvo-pastoral Seulement, adapté selon Cher Baye. Vous constatez, mais il n'y a rien hein, ici. Même le français n'a pas d'eau. On est obligé, quand il y a un, accouchement, de dire aux femmes d'aller au forage puiser de l'eau pour qu'on l'on puisse faire le nettoyage situé à plus de 40 km de du district auquel il est rattaché une santé peine toujours à référer un patient au centre de santé du chef-lieu de département. Outre l'absence de pistes praticables, surtout en hivernage, la localité ne dispose pas d'ambulance en bon état. Le poste de santé vient de bénéficier de matériel et équipement, se réjouit Bailly. C'est un grand soulagement, dit-il, en espérant que le rédicat de la dotation promise par les autorités va bientôt arriver. Richard Donald, c'est FM on a des informations sûres et utiles. faible. la radio de toute l'actualité. Vol armé, cette nuit au quartier Kiofak de Kaolak. Une dizaine d'individus à bord d'un véhicule 4x4 se sont attaqués à une boutique. Les malfaiteurs ont blessé les personnes trouvées sur place. kaulak Ibrahim Adjamé. C'est vers 4 h du matin qu'ils ont fait irruption au quartier Kiofak Bambara. Selon les témoins, ils sont près d'une dizaine de malfrats camouflés, armés de gourdins et d'armes à feu. Ils les ont brutalisés, malmenés et blessés avant d'emporter le coffre de la boutique. Pape Moussa Faye est témoin des faits. en commissant leur visage, c'est un véhicule 4x4 euh, qui a des bandes noires. Ils ont abattu tout le monde en hein, Tous les gars qui sont ici ils ont abattu même le boutiquier. Ils ont amené trois sacs de riz et même le coffres forts de la boutique. Le boutiquier en question a été évacué à l'hôpital et en croire Pape Moussa les voleurs ont fait un premier passage d'inspection avant de revenir pour commettre leur forfait. Et pourtant, selon toujours ces dires, ils ont tenté à plusieurs reprises de joindre les forces de sécurité mises en vain. On a appelé les, policiers plus de 10 fois, hein. personne n'a répondu, personne n'est venu. Hein. On Je des appels hein, pour les autorités, parce que franchement, ça c'est dur. Parce qu'ici, ici, franchement, ce n'est pas, pas, on est avancé. en sécurité, en toute franchise. Était-ce alors une simple cavie ou reprise stratégique de ces voleurs circulant à bord d'un véhicule 4 4 En tout cas, depuis un certain temps, ils se sont calmés, mais les populations qui sont intervenues sur les ondes du réseau privé de la place ce matin pour manifester leur désarroi ont proposé on s'est aidé sur la question avant que ces malfrats ne reprennent de plus et leur porter préjudice encore. jamais Djamé Que Radio le Média. À Grand l'opération de sécurisation entamée par la police de la commune et celle des parcelles assainies appréciées par les populations à Grand Donc on se dit soulagé et l'on souhaite que ces genres d'opérations de sécurisation se poursuivent. Reportage Mohamed Salimouba. De sa boutique, Mohamed la vingtaine se satisfait de ce qu'il a vu à la télévision. L'opération coup de poing de la police pour ramener la sécurité à Grand La police en train de, les rues de Grand pour mieux voir la sécurité, comment ça se passe. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est quelque chose de beau à voir. Mais que ça devient continuel. C'est tout ça, quoi. Il ne faut pas attendre médecin après la mort. Tu que dit Hassan moi j'aime pas. Médecin à la mort, moi j'aime pas. Mama a vu les policiers en faction. Elle pousse en ouf de soulagement. Pourtant, pour être efficace, ce genre d'opération a besoin d'un renseignement de qualité. Et pour Da Silva, ce sont les populations qui doivent le fournir. c'est normal. Il faut dénoncer. Ah non, il faut dénoncer comment Non, mais il faut dénoncer comment Par secret, c'est tout. Hein. C'est tout. Dénoncer pas secret, que je vous ai dit il faut vraiment que la police pas des enquêtes de proximité, des enquêtes vraiment qui sont, je ne sais pas comment dire, euh, des enquêtes. Moussa, le n'est pas malé et pour cause. Moi, j'ai vu ces policiers ils étaient en vacances, c'est bien c'est pas mal mais c'est pas avec la police qu'on peut traquer les bandits c'est clair euh, tout le une opération à pérenniser pour mettre au pas les bandits et autres malfaiteurs mais les populations précisent que Grand Yoff a surtout besoin d'un commissariat de police pour gérer le surplus de population qui vit euh, dans ce quartier quartier qui fait partie des Éducation, la rentrée scolaire et les menaces des enseignants. À quelques jours de la rentrée scolaire donc, les parents se font des soucis. Ils demandent aux enseignants de savoir raison garder et acquitter de son devoir de mettre dans de bonnes conditions ses fonctionnaires. Reportage signé Sornana Sambaï. Ventre affamé n'a point d'oreille. Pour la dame Deimati ce dicton est aussi valable pour les enseignants. Pas de salaire, pas d'avancement, alors pas de cours à dispenser. Si rien ne va, si on ne mange pas bien, on ne pourra pas éduquer. Les éducateurs sont des pères de famille. Si rien ne va chez eux, ils n'auront pas la conscience manquée d'éduquer nos enfants comme il le faut. Et ça se répercute sur nous, les parents. Les syndicats d'enseignants projettent déjà un nouveau bras de fer avec le gouvernement et ça promet d'être difficile pour les parents. Cher Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de consensus entre le gouvernement et les syndicats, hein. mais c'est le gouvernement qui doit faire des efforts, parce que là, les parents d'élèves sont fatigués. Hein. Amat, lui, semble énervé. Il accuse les enseignants de cupidité. Ah, et les enseignants nous fatiguent, ils ne pensent qu'à l'argent. Ils doivent se concentrer sur les cours. Franchement, ce n'est pas normal. Et le plus important, c'est l'amour de son pays. Mais apparemment, ce n'est pas leur problème. Cet homme semble prend aux deux parties. Selon lui, leur attitude ternit l'image de notre pays. L'État respecte ses engagements. Les enseignants sachent laisser du reste. Ou bien, grève, comme ils disent, mais de grâce mettez de ce côté ces termes. L'opinion internationale va nous prendre comme, comme des niveaux. Maintenant, il commence à dire que le Sénégalais dans sa tête, il est fort, mais en termes d'action, il est nul. Des actions pour sortir l'école sénégalaise de cette mauvaise situation, c'est le vœu le plus cher de plusieurs Sénégalais. En plus près, en plus près, pardon, les élèves du centre sectoriel de formation professionnelle au métier agro-industriel dans tous leurs états réclament le recrutement dans la fonction publique après la formation. Ces élèves n'excluent pas de dur sur le ton si le ministre de la formation professionnelle ne réagit pas. Vous les entendrez lors de nos prochaines éditions et nos tentatives d'avoir la réaction du ministre de la fonction de la formation professionnelle, maman Tala, sont restées vaines. RFM. internationale. Bienvenue Binta En Guinée, l'opposition menace de se retirer du processus électoral. C'est au sortir d'une réunion de crise que cette éventualité a été annoncée. L'opposition guinéenne considère que l'accord du 20 août n'a pas été appliqué. L'annonce a été faite samedi dernier à travers le porte-parole de l'opposition Bakar Sira. Dans cette plénière, les opposants au pouvoir déclarent que le président Alpha Condé n'a pas appliqué les trois points contenus dans l'accord du 20 août. Il s'agit de l'assainissement du fichier électoral pour en expulser des doublons et des mineurs en relais lors de la révision des listes électorales. À cela s'ajoute la recomposition des délégations spéciales et la refonte de la CENI. À ce niveau, il y a un écroche entre la mouvance et l'opposition autour du choix de Mme Ramatoulaïba qui a été récusé par le parti d'Alpha Condé. Le porte-parole de l'opposition laisse entendre qu'il a été décidé d'alerter tous les candidats de l'opposition de l'évolution de la situation afin qu'une décision commune soit prise par rapport à un éventuel retrait du processus électoral. Si l'accord n'est pas respecté pour l'opposition guinéenne, cela donc va dire que l'élection présidentielle du 20 août dans la configuration actuelle et qu'on voudrait à légitimer l'élection du candidat Alpha Condé qui va remplir pour un second mandat. En Mauritanie, les États-Unis appellent au dialogue politique. Par l'intermédiaire de son ambassadeur basé à Nouakchott, le diplomate américain a lancé cet appel au sortir d'une rencontre avec le leader du principal parti de la majorité, l'UPR, la Mauritanie a entamé depuis lundi des rencontres consultatives préliminaires à un dialogue national, une rencontre boycottée par l'opposition. Le président du Nigeria est en France à partir d'aujourd'hui. Mohamedou Buhari va s'entretenir avec le président Hollande des questions sécuritaires et ce au moment où son pays et les États voisins luttent contre Boko Haram. Le président Buhari va faire plusieurs jours à Paris sur invitation de son homologue français. Le président Bongo l'a fait avant son départ pour la France. Pour la première fois, deux personnalités ont rejeté l'offre du chef de l'État pour une entrée dans le gouvernement. Les détails en ligne de Libreville, Yves Antonio Goulard. Tout le monde a été pris de court. Le président de l'Union du peuple gabonais, président en exercice du Front de l'opposition pour l'alternance, a dit non non et non, il ne rentre pas au gouvernement au poste de ministre de l'Agriculture, comme l'a voulu le chef de l'État Ali Bongo Oliba. Moukali Iwangu a été clair, il n'a pas été consulté et il pense clairement qu'en République, une démarcation franche se fasse entre la majorité qui doit gouverner et une opposition qui doit être de l'autre côté. Autre personnalité à dire non au poste de ministre délégué à l'urbanisme et au logement, Jean-Robert Endaman, qui est pourtant membre d'un parti de la majorité au pouvoir. Il déclare n'avoir également pas été consulté. D'ailleurs, il s'insurge contre de telles méthodes qui, selon lui, sont antidémocratiques. Le nouveau gouvernement gabonais, composé de 41 membres, prend acte des refus des deux hommes politiques et nomme à la place Mathieu Mumbanzegui, le président d'une frange de l'UPG au ministère de l'Agriculture, et Jean-Sylvain Bekalinze au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Au Burundi, le président Kurunziza sort de son silence. Après l'assassinat du chef d'état-major des armées, Pierre Kurunziza dit donner une semaine à la justice pour que les auteurs d'un tel crime soient arrêtés et pris conformément aux lois du Burundi. C'est tout Antoine pour cette âge internationale. Merci Binta Parole aux auditeurs. L'actualité. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur EDFM. Encore des problèmes dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Quelle solution préconisez-vous Vous aurez la parole aux alentours de 12h30 minutes. Chers, qui en ouverture de cette page des sports, du football, Cannes U23. Cher, le Sénégal, pays hôte de la compétition, connaît depuis ce matin ses adversaires de groupe. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Zambie. Le tirage au sort a été effectué en Cannes ce matin au Caire en Égypte, un groupe dans lequel le Sénégal doit se faire respecter selon le vice-président en charge de la petite catégorie de la Fédération sénégalaise de football, Moïse que nous écoutons. Quoique nous sommes dans une poule assez pas très difficile, ça peut être plus compliqué. L'Égypte, l'Algérie, le Mali, le Nigeria étant dans la poule B, je crois que c'est les il faut le reconnaître. Nous partageons cette poule avec l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tunisie qui sont la cinquième ou sixième participation. Nous, nous sommes à notre deuxième participation. Nous allons combattre cela parce que nous sommes le pays organisateur. Je crois que si nous nous battons, nous avons de réelles chances de passer cette cap-là. Je crois que les gosses l'ont démontré. Aujourd'hui, nous avons une équipe assez compétitive aux Jeux africains. Nous avons avec euh, le Nigeria, nous avons fait match avec le Ghana, étant entendu que nous avons également nos professionnels qui sont à l'extérieur. Euh, Moussa Konate, Dam Diopou, Ibrahim Mamaye, tous sont olympiques. Et je crois qu'ils sont dans cette équipe. Je crois que nous sommes partis avec les locaux simplement et par quelques deux joueurs de Metz et de Belgique. Je crois que si nous avons notre groupe, nous avons de réelles chances et nous serons comptés sur la perspicacité du président Augustin Semon pour pouvoir décrocher ces jeunes-là parce que nous n'avons pas une date FIFA, donc ça va être compliqué de les avoir, mais je crois que si nous avons cette équipe-là, nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe. Nous serons d'abord à domicile et nous commençons également à, très bien nous préparer. Nous n'avons plus d'excuses sur la préparation et ça, c'est déjà un bonus. Un match d'ouverture, que le Sénégal va rencontrer le 28 novembre prochain l'équipe sud-africaine. Dans l'autre groupe, on y retrouve l'Égypte, l'Algérie, le Mali et le Nigeria. Ce tournoi va démarrer donc le 28 novembre pour finir le 12 décembre. Ce tournoi est qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Trois nations vont représenter l'Afrique à ces Jeux Olympiques, Antoine. Les Jeux africains de Brazzaville, l'athlétisme, les arts martiaux, le 1 féminin, oui, au programme euh, pour la délégation sénégalaise. De réelles chances de médailles, dit-on. Revenant sur les prestations hier en karaté de Léa Buette et de France Djedjou, le Sénégal peut bien avoir des regrets selon le chef presse de la délégation sénégalaise, Béjadjou il faudrait vraiment avoir des regrets dans la mesure où on aurait pu assister à une finale, en tout cas dans la catégorie de moins de 57 kilos euh, chez les dames parce qu'on aurait pu assister à une finale, en tout cas, entre Sénégalais, à savoir Léa Pilette et, Hortense Didou. Mais malheureusement, Léa a été battue par l'Ivoirienne qui était Elle était largement à la portée de, Léa, qui a peut-être quand même manqué de concentration pour se faire battre par euh, une Ivoirienne qui était largement à sa portée. Ça a été aussi le cas pour Hortense Didou. Ça a été battu. Et je pense qu'ils euh, vont quand même retenir les leçons du pareil. Et je pense que l'objectif de ce film-là, c'était d'abord la médaille mais malheureusement, ce qui n'a pas pu se réaliser, ils se sont rachetés, en tout cas dans le tableau des médailles de bronze pour, euh, euh, pour battre euh, respectivement l'égyptienne et la tunisienne pour ces médailles. C'est vrai que quand je regardais le tableau de l'athlétisme, je me suis rendu compte que Miskaba Batsi à la longueur et quand même Mamadou il pouvait vraiment nous valoir deux médailles, à savoir l'or et l'argent. Il y a aussi Lima Fay au 100 mètres. en tout cas, il y a Amisen qui devra aussi se lancer pour le marqueur. Je pense qu'elle a largement cette médaille d'or à sa portée. Le judo, Abou et Sanilia, ils vont monter sur le tapis en, 81 il y aura aussi Mbadi Ndiaye et euh, Boubacar Mané en 100 euh, kilos et Monika Sagna c'est les lourds. Donc, euh, ce sont des garçons qui peuvent en tout cas nous valoir un peu satisfaction. Je pense que le club en tout cas des 19 médailles sera largement dépassé. En tout cas, nous avons bon espoir. Et il ne faudrait pas oublier aussi la présence euh, de Balagay, de Gorom Kare en taekwondo et aussi de Binte Djedi et sa sœur qui sont vraiment prêts à nous offrir la médaille. Et puis, euh, notez que c'est l'un des sportifs les plus émérites de sa génération. Cela fait aujourd'hui 13 ans qu'il n'y plus dans ce monde, de ce monde plutôt. Mawadouad, le Saint-Louisien, décédé à l'âge de 76 ans, a marqué son époque le témoignage du doyen de la guerre. Mawadou est de tous les grands combats, et surtout début de combat pour ce qui est de l'épanouissement de notre football au Sénégal. Tellement juste que Mawad est le deuxième entraîneur sénégalais, et ceci de 1968, a amené une équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique euh, des Nations. Il a été trois fois entraîneur national, Mawad. Trois fois il a été appelé, trois fois il a été remercié, et chaque fois il s'est mis à la disposition de notre, notre euh, euh, football. Je, rappelle que euh, Mawad est un militant, c'est le club, parce que nombreux sont ceux-là qui ne savent pas que Mawad a d'abord joué au football à Kaolak, où il était affecté au début des, années 50, et ceci comme enseignant. Je rappelle que quand il a eu l'équipe nationale en 1968, Joe Diop, son ami de toujours, était son adjoint. l'actuel président mondial de l'athlétisme, était alors le directeur technique national ma watt super et à la Confédération africaine de football et à la, Fédération internationale de football. C'est d'ailleurs lui qui en charge la sélection d'Afrique quand l'Afrique avait été invitée pour la première fois à un tournoi au Brésil. Et comme il en avait la charge, il avait préparé l'équipe d'Afrique ici même euh, à Dakar avant de partir euh, euh, pour, le Brésil. Et puis pour boucler la boucle, nous parlons du championnat anglais qui en est à sa cinquième journée. La clôture, c'est cet après-midi. Un match devant tout de Sénégalais. Il s'agit de Newcastle, de Papis Dembassissé, avec avec de Diafra et de Chirou Donc trois Sénégalais sur la pelouse pour la page de sport. Merci, cher Kylian.